Nani! yaay bala ngaa wax man ma lay introduire ci alquranul karim Lo tax mané ko nak kon na la bayyi go ubi ak alquran ma soog wax jili mbay do tuddu excellent élève am bac dem France di jang dafa ñëw bac mas momit ci daanaka rek ci kër bàjjen may la bok musufa faa aw waaye daanaka rek ci la bok merci jili أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا صدق الله العظيم jërëjëf Jili jërëjëf dama ne woon fi may tàmbalee mooy yéen ñépp ngeen sant le ma yàlla subhanahu wa taala nañ ñun ñépp bokk wax alhamdulillahi rabbil alamin ñun ñëpp nañ bokk wax allahumma salli ala sayyidina muhammad ñun ñëpp nañ bokk wax jërëjëfe sëriñ Touba ñun ñëpp nañ bokk wax sëñ Mountakha Mbacké yal na fi yàgg te wér ngeen jëf ndaxte damay wax naan lu ma sant yàlla rek doyul lu ma sant yàlla rek doyul

monsieur la principe, monsieur les principaux de collège, monsieur les inspecteurs, monsieur le sénateur Moustapha mesdames et messieurs, chers élèves et parents, cette date du mercredi 25 août 2021 est inscrite à jamais dans l'histoire de C'est une date où nous avons l'honneur de rendre grâce à Allah subhanahu dans ce magnifique édifice de Kër Pour vos résultats, chers élèves du CM2, de 3e et de Terminal du groupe scolaire Kër Nos remerciements vont auparavant à l'endroit de tous nos collaborateurs, tous nos collaborateurs, les collègues enseignants et professeurs de la première heure qui ont installé en vous les bases des conditions d'acquisition du savoir dans la discipline, l'humilité et l'abnégation à vous, chers enseignants et professeurs, qui avez pris le train en marche. Nous vous remercions d'avoir épousé la philosophie de Kerbadermay et d'avoir assuré la continuité avec éthique, amour et loyauté. Nous remercions également les personnels administratifs et subalternes pour leur engagement et leur loyauté. Nous remercions les parents d'élèves qui ont placé leur confiance en nous, nos partenaires, chauffeurs de taxi, nos partenaires du transport, toutes les personnes qui s'activent dans le fonctionnement quotidien du groupe scolaire Kerbadien May. Je ne me lasserai jamais de remercier un homme spécial, le premier partenaire de l'école, quelqu'un qui a très tôt cru au projet éducatif de Kerbadien May et qui est toujours là pour nous accompagner par la grâce de Dieu. Il est à l'âme de tout et il continue à y mettre ses moyens. Cet homme, c'est Baye Serinsek, le promoteur du lycée il a construit et équipé. Merci infiniment à Baye Au docteur Moussafa Souran, vous êtes une fierté pour la ville sainte de Touba. C'est aussi avec fierté C'est aussi avec fierté que nous tenons à vous dire merci de vivre. Merci de nous avoir fait l'honneur d'accepter d'être le parrain de cette journée et de parler à nos bacheliers, à nos bacheliers ici présents pour les motiver, les orienter et leur montrer le chemin à suivre pour un cycle, cycle universitaire de succès. Toutes nos remerciements et toutes nos félicitations à cette première promotion de Madialis, la première promotion de Madialis ici présent, la première promotion ici présent, Sornamay Mam je vous salue. Vous qui êtes là ici présent c'est les premiers élèves qui ont ouvert le cycle Madialis. Beaucoup ont réussi cette année au baccalauréat. Merci beaucoup. Ils sont venus aujourd'hui honorer, sargal leur maître qui les a encadrés durant tout ce cycle élémentaire, M. Yal. Je remercie aussi, je remercie ma fille, ma femme, qui est parmi la première promotion de l'école en 2002. Elle a réussi à son bac Maintenant, elle est à l'université. Merci, Manfato, d'être là pour représenter les camarades de la première heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous, les élèves qui ont maîtrisé le Coran, soyez conscients que, vous votre premier diplôme est la maîtrise du Saint-Coran. À tous les élèves qui ont maîtrisé le Saint-Coran avant d'entrer à Kerbadian je vous exhorte à vous attacher davantage à ce livre saint, à le lire, à le relire et à vous en inspirer tout le temps et à mettre en place ses recommandations pour votre bien. Je vous exhorte à toujours participer partout où vous serez au rayonnement de l'enseignement de Cheikh Omar Bamba Khadim Rassoul, notre cher guide. Chers élèves qui, qui venaient d'avoir le CFE, chers élèves qui venaient d'avoir le CFE, félicitations. Écoutez vos élèves de la troisième qui viennent de boucler le cycle moyen avec un taux de réussite de 100% au BFM. E ils vous diront, ils vous diront, ils vous diront comment bien réussir le, cycle moyen. Écoutez l'élève Mambou Sambake, meilleur élève de Kerbadjan au BFM e 2021. Écoutez-la, elle vous dira comment elle a fait pour réussir cette performance et à vous, élèves de troisième, tendez l'oreille à la première élève inscrite au lycée de Kerbadienmaï. Lorsqu'elle est venue s'inscrire, je lui ai dit, chère fille, tu es la première élève à s'inscrire au lycée de Kerbadienmaï. Et elle nous a Marseille-Yen. Cette première élève qui a réussi cette année à son baccalauréat série S1, première de son centre avec la mention bien marseillaise. Quatre chers élèves, il ne s'agit plus par ces temps qui courent que reprend les mots du proviseur Keïta, de réussir uniquement au bac, mais il faut le réussir avec la manière, il faut le réussir avec la mention. Marseille vous dira comment faire pour faire un excellent cycle secondaire. À vous, chers bacheliers, je vous demande solennellement d'écouter le docteur Moussa Fassoran. Il est sans doute le père de la santé à Touba, il est sans doute le père de la santé à Touba. L'écouter vous servira à coup sûr. Inspirez-vous de lui, de son application, de son humilité, de son sens de l'écoute, de sa rigueur dans le travail. Docteur Moussa Sora a consacré sa vie au service de Serine Touba, considéré comme son fils par Serine Mbake. Il est un modèle d'intellectuel mouride abouti. Chers élèves, vous avez devant vous un des profils du modèle parfait de l'aboutissement de notre projet éducatif. Écoutez-le et prenez note. Je suis sûre que ces paroles vous serviront. Merci à ces autorités éducatives ici présentes avec lesquelles je partage cette mission. Nous avons le même souhait pour tous ces enfants. L'harmonisation du travail tout au long de l'année assurée efficacement par la tutelle, explique les bons résultats du département de Mbaké. Je vous témoigne à vous, je vous témoigne à vous tous ma profonde, ma profonde reconnaissance et réitère, l'engagement de Kër à suivre cette dynamique. Je vous remercie. Merci beaucoup.